être exactement 11h à Niamey et un peu partout au Niger, chers auditeurs et auditrices du studio Kalangu, bonjour. Le Niger sur Kalangu de ce mardi 28 mars 2023 est présenté par moi, Fanta Chamsou et Ali Munkaila Ouseni alias La technique est assurée par Abdulkader Chombiano et Adama Dawaki à l'édition. nous bonjour, comment tu vas Je vais bien, Fanta, ça va et toi Ça va, Alhamdulillah. Super alors, t'as prévu quoi pour nos auditeurs ce matin Eh bien, nous, comme d'habitude, nous allons tenir compagnie à nos auditeurs pendant une heure de temps avec deux nouvelles rubriques spéciales Ramadan. Mais avant, il y a le flash d'information, le reportage en région. Et aujourd'hui, nous irons donc à Tilaberi. Il y aura aussi du loti avec les femmes du studio Kalangu, de la culture linguistique et du sport avec notre chroniqueur sportif Sariou Adam Yerima. Dans la rubrique hebdomadaire santé, nous parlerons de l'hypertension artérielle avec Dr Souley Kimba, cardiologue à l'hôpital national La Mort de Dunyami. Et oui, Fanta, toujours dans cette émission, nous nous ferons le plaisir et de partager avec nos auditeurs des conseils diététiques et astuces culinaires. La rubrique rose qui vous propose, chers auditeurs, des astuces beauté. Et enfin, nous terminerons avec les messages des auditeurs. Mais comme invité, nous recevons euh, Ousmane Mahmoudou, il est le responsable de l'équipe numérique du studio Kalangu. Avec lui ce matin, nous parlerons de comment créer une application mobile. Chers auditeurs, nous ouvrons cette émission avec euh, le Flash et c'est avec Nafissa Adamou Sirfo. Bonjour Nafissa. Bonjour Seno. Bonjour Fanta. Bonjour Nafissa. Quelles sont les nouvelles ce matin Alors, le comité national chargé de la réélecture et de l'adaptation du code pénal et du code de procédure pénale a remis hier au ministre de la Justice l'avant-projet du document revisé. Selon le quotidien Le Sahel, le code pénal proposé permettra au Niger, s'il est adopté, non seulement d'assurer un meilleur cadre général de paix et de sécurité, à même de renforcer la protection des droits humains, mais aussi de lutter contre l'impunité et contre la criminalité sous toutes ses formes. Rencontre lundi entre le Premier ministre et les responsables de la Confédération des travailleurs nigériens. Ils ont fait le point de la mise en œuvre du protocole d'accord du 23 janvier passé entre les deux parties, portant entre autres sur le paiement des incidences financières liées aux avancements et reclassements. Pour le secrétaire général de la CDTN, à l'issue de cette rencontre, les choses vont mieux bouger et va donner plus d'impulsion pour que les autres points soient mieux appliqués dans un bref délai. Enfin, en raison du mois de Ramadan, le ministère de l'Éducation nationale a instauré une journée continue dans toutes les écoles primaires publiques et privées du Niger du 23 mars jusqu'au 23 avril prochain. Les journées d'activité s'étaleront du, du, lundi au jeudi de 8h à 14h et les vendredis de 8h à 13h. Retenez que ces journées seront ponctuées de deux pauses de 30 minutes chacune. C'est la fin de ce flash. Merci beaucoup, Nafisa. On se retrouve plus tard dans cette émission pour parler des grands titres de la grande édition du soir. À tout à l'heure. Allez, bye bye. Chers auditeurs, euh, comme invité ce matin, nous recevons Ousmane Mahmoudou. Je rappelle qu'il est le responsable du département numérique du studio Kalangou. Bonjour, Ousmane. Bonjour, Seno. Alors, comment allez-vous Ah, ça va bien. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez ce matin Alors, aujourd'hui, on va parler des applications mobiles. Mais avant, euh, Ousmane, nous allons écouter les conseils du religieux, n'est-ce pas, Siano Oui, Fanta, prendre le souvour, euh, c'est manger et boire avant l'aube pour chaque jeûneur. Cependant, certains négligent ce repas soit par euh, indifférence ou par paresse. Et aussi, pour rompre le jeûne, il est recommandé de manger et boire de façon modérée, selon Oustaz Halodou Yahaya. Il est prédicateur, il est aussi au micro de Hawa Ousmane. Le revêt une grande importance pour le jeûneur que le prophète Mohammed a déjà parlé en disant prenez le secours car il est béni. Donc quand on dit bénédiction, ça veut dire barakat ou consistance dans le bien ou consistance divine dans une chose ou sa pérennisation. Le secours permet aux fidèles conformément au dire du prophète Mohammed de bénéficier des prières de Allah et de ses anges. D'après Ibn Omar, Allah soit satisfait de lui, a dit Allah fait miséricorde à ceux qui traînent le repas du secours et les anges implorent le pardon d'Allah pour eux. Quelles sont les recommandations pour la rupture du jeûne Dieu a dit dans le Coran, sur 7, euh, verset 31, et mangez et buvez et ne commettez pas d'excès, car Allah n'aime pas qui commettent les excès. Le prophète Mohammed a dit un musulman en mangeant doit commencer par prononcer le nom d'Allah, Bismillah Rahman Rahim, et commencer par prendre, dans la mesure du possible, un un nombre impair, prendre de l'eau, euh, du lait. Il ne faut pas oublier de réciter la formule d'abord pour Al-Nasr Inch'Allah. Il faut prendre un petit temps avant. Il faut manger et voir ne pas d'accès l'accès. Si on grave les ventres, on peut rater les Et même parfois, le réveil de faire le sport qui a de leur avantage pour les jeunes. Voilà, après ce conseil religieux, chers auditeurs et auditrices, retrouvons notre invité du jour, Ousmane Mamoudou. Alors, Ousmane, dites-nous, c'est quoi une application mobile alors bonjour à tous. Donc aujourd'hui on va parler des applications. Alors euh, une application euh, de façon générale c'est euh, un ensemble d'outils informatiques donc de logiciels qui vont permettre de venir résoudre un problème, réaliser une tâche ou un ensemble en tout cas de, de, tâches simultanées. Mais dites-nous Ousmane, il y a combien d'applications dans le monde alors, dans le monde, il y en a beaucoup. Mais nous, euh, on va se focaliser essentiellement dans le secteur euh, des applications mobiles. Donc, euh, tout ce qui est Android et iOS. iOS, donc, ce sont toutes les applications disponibles sur les smartphones Apple, mhm. donc dans le Play Store, dans l'App Store plutôt. Donc, mais les derniers chiffres, en tout cas en 2022, sur le Play Store, on a recensé un peu plus de 3 millions d'applications. Sur l'App Store, on est un peu au-delà des 2 millions d'applications disponibles, sachant qu'il y a tout plein de magasins. Donc le Play Store et l'App Store, ce sont des magasins, on les appelle, mhm. des, stores donc de Google et d'Apple qui vont leur servir de stocker euh, les applications développées par les éditeurs pour que les utilisateurs, donc vous et moi, puissions les télécharger et les utiliser. Mhm. Donc ce sont les deux principaux, en tout cas dans le monde du mobile. Mais après, vous avez aussi d'autres magasins alternatifs de téléchargement d'applications comme APK Pure et compagnie, donc qui vont aussi permettre de télécharger d'autres applications. Donc là, ce sont vraiment les applications mobiles. Mais de façon générale, une application, c'est vraiment quelque chose qui va venir résoudre un problème. Alors, ça peut être votre navigateur web, Chrome, Firefox ou un logiciel d'édition de, vidéos ou de photos que vous utilisez. Mais donc, nous, dans la chronique aujourd'hui, on va vraiment se focaliser dans les applis mobiles. Et euh, comment créer une appli mobile, justement Alors, pour créer une application mobile, euh, c'est pas si simple que ça. Vraiment, euh, d'abord, il faut être quelqu'un qui s'y connaît en codage informatique. Mhm. Donc ça, c'est vraiment la base. Hein, c'est, <laughs> on va dire, la première étape. Donc le code informatique, le langage informatique, c'est quoi Pour faire très très simple, pour que tout le monde puisse nous comprendre, euh, c'est comme un humain, c'est vraiment le langage qui est utilisé pour parler à des ordinateurs mhm. et pour que les ordinateurs nous parlent à nous aussi, si vous êtes développeur. Donc c'est comme si vous partez dans un pays et que vous avez besoin de comprendre la langue qui est parlée à l'étranger pour pouvoir vous adresser euh, aux habitants de ce pays. Donc le langage informatique, c'est ça. Mm. Et ce langage-là, il est aussi structuré. Donc il va avoir ce qu'on va appeler des instructions euh, et essentiellement des commandes. Donc il va fonctionner comme ça. Donc de base, vraiment, il faut connaître, il faut connaître un minimum de langage informatique, même si on va voir que plus loin, c'est je ne dirais pas pas très nécessaire, mais quand même on peut le contourner. Alors la première étape, c'est ça. Ensuite, on vous demande, euh, il vous faut installer ce qu'on appelle un IDE, c'est-à-dire un, environnement de euh, développement intégré. Donc, chez Android, si jamais vous voulez faire une application Android, euh, je ne sais pas, donc vous aurez besoin d'Android Studio. Donc c'est le nom de leur IDE e que vous allez installer sur votre ordinateur chez Apple, eux, ils utilisent un autre IDE qui s'appelle Xcode. Donc, lui aussi, vous pouvez le télécharger, l'installer. Et ensuite, donc, euh, une fois que vous avez installé votre logiciel, c'est classique, hein, c'est comme si vous ouvrez Word, une fois que Android Studio est installé, vous faites créer un nouveau projet, etc. etc. Mm-hmm. Et donc, après, vous allez développer ce qu'on appelle l'interface utilisateur. Donc, c'est tous les boutons que vos utilisateurs vont venir cliquer. Si j'ai besoin d'envoyer euh, un like ou une photo à quelqu'un, où est-ce que je dois naviguer Donc, tout ça, il faut que ça soit très, très simple à comprendre pour euh, les personnes qui vont utiliser votre application. Donc, c'est ça qu'on appelle aussi euh, l'expérience utilisateur ou l'UX. Et après, on revient au code. Hein. Donc, il faut toujours que ça soit vraiment très, très simplifié niveau codage parce que d'autres personnes euh, peuvent, vous pouvez donner la gestion de l'application que vous avez créée à d'autres personnes qui n'ont pas écrit ces lignes de code-là, mhm. qui n'ont pas écrit comment votre application fonctionne. Donc, il faut que le code soit vraiment structuré. En informatique, en programmation, on appelle ça une très bonne indentation. Ça veut dire qu'il faut que le texte, que le code soit vraiment aéré, qu'il y ait des explications, sur certains paragraphes pour que la personne qui viendra... Il faut que ça soit vraiment simplifié. Voilà, il faut que ça soit vraiment simplifié pour les utilisateurs, mais aussi pour les personnes qui vont vous aider à mettre à jour l'application. Mhm. Parce que c'est pas l'affaire d'une seule personne en fait. Voilà, même si vous êtes le seul, peut-être que je sais pas, votre application, elle va avoir un million d'utilisateurs, vous allez devenir très célèbre, donc elle va grossir. Donc forcément, l'équipe qui la gère va grossir et forcément, tout le monde n'était pas là au début. Donc les gens qui vont venir après, il faut qu'ils comprennent comment tout ça fonctionne. Mais donc, quand votre code, en tout cas la façon que vous avez écrit l'application est simple, ça sera encore plus simple. Après, donc toutes ces étapes-là, donc on peut sauter si vous voulez. Il faut quand vous avez euh, fini toute cette étape de développement, là, c'est la partie de test. Mm-hmm. Donc là, vous, il faut tester vraiment l'application. Et dans euh, l'idée qu'on a cité, Android Studio, il y a des parties où vous pouvez simuler un téléphone Android ou Apple. Mm-hmm. Le téléphone se déclenche, vous voyez vous-même comment votre application fonctionne. Donc, s'il y a des erreurs quelque part, comment les corriger Une phase test. Voilà, c'est vraiment la phase test. Et après, souvent aussi, vous entendez qu'on parle euh, de bêta. La bêta aussi, c'est quelque part quelqu'un qui a fini une application, qui l'a mis à jour et qui la donne cette fois-ci à la disposition du grand public, mhm. mais un grand public avec beaucoup de guillemets, un public plutôt restreint pour qu'ils vienne la tester, mhm. pour euh, vraiment faire sauter tous les endroits où il y a des problèmes. Et enfin, la dernière étape, c'est l'étape euh, de déploiement. Donc là, l'application va être déployée dans l'App Store ou dans le Play Store de Google. Donc, moyennant des frais, moyennant évidemment leurs conditions d'utilisation et tout. Avant de continuer, Ousmane, nous allons vous laisser souffler. Et sinon, je pense qu'il serait bien d'écouter les conseils nutritionnistes du jour, n'est-ce pas Oui, je suis vraiment partant. Alors, euh, surtout que ce mois de Ramadan coïncide avec euh, la période de, forte chaleur. Au Niger, les pratiquants consomment euh, des mets et des jus de fruits pour rompre le jeûne. Cependant, à cause de la soif, beaucoup de jeunes ne consomment que l'eau et le jus, alors qu'il est conseillé de prendre d'autres aliments riches en nutriments et vitamines. Suivez les explications de Dr Harako et Mohamed, il est pharmacien et nutritionniste. Les propos sont recueillis par Rahila Toussoumana. Lors de la rupture du jeûne du ramadan, sont surtout plus les aliments riches en eau des aliments liquides comme l'eau, les tisanes à base de quinqueliba, menthe, citronnelle, basilic, les soupes de légumes, mais aussi le lait. Donc les aliments riches en eau vont permettre à l'organisme euh, de se réhydrater, de combler toutes les pertes hydriques posées euh, pendant la période du jeûne et également due à la canicule. Les aliments légèrement sucrés comme euh, les fruits et les jus de fruits, la date, le miel, et aussi la bouillie. Ces aliments riches en sucre vont permettre à l'organisme de réguler euh, le taux de sucre dans le sang. Les personnes qui ont du mal à, consommer des aliments autres que l'eau et les jus, jus de fruits, ces personnes s'exposent à des carences. La consommation d'eau et de jus de fruits n'apporte que l'eau et des sucres. L'on sait que le sucre en excès peut entraîner une obésité, un facteur de risque très très important pour le développement des maladies cardiovasculaires comme le diabète, euh, le cholestérol euh, et les maladies euh, liées au cœur. Ils peuvent faire face à des anémies L'une des solutions serait de pouvoir introduire dans leur régime des purées de pommes de terre, des soupes, des bouillons. Tous ces aliments seront riches en protéines, en graisses euh, essentielles, mais également en minéraux. Donc, euh, toutes les substances euh, nutritives contenues dans ces aliments peuvent éventuellement rééquilibrer les pertes et les carences auxquelles ces personnes-là peuvent faire face. Voilà, merci euh, pour euh, ce reportage. On revient avec notre invité du jour, M. Euh, Monsieur Ousmane, qui est bien évidemment le, chef hein, du département numérique du studio Kalangu. On continue avec notre conversation. Ousmane, alors dites-nous, est-il possible de, de, concevoir des applications sans avoir codé Évidemment que oui. Donc, il y a aujourd'hui un concept qu'on appelle le no-code. Donc, euh, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez créer une application, même si euh, euh, d'autre part, vous ne savez pas faire de la programmation informatique. Donc, le no-code, ça veut dire que vous pouvez programmer sans coder. Et donc, cette technique va vous permettre, par exemple, de, faire, c'est une interface, donc, comme un logiciel de montage classique, on Prendre l'exemple par exemple de Photoshop, je ne sais pas, de, de logiciels de montage d'images, vous pouvez faire des glissés-déposés par exemple de boutons, de boutons de recherche, par exemple, de panier ou d'espace de commentaires, des petits glissés déposés que vous allez faire vraiment comme un puzzle pour construire votre application. Et après, le logiciel, il va vous sortir euh, l'application euh, que vous avez construit. Cependant, évidemment, ce modèle-là, il, est, il, il a quand même beaucoup de difficultés quand vous voulez faire des trucs personnalisés. Mm-hmm. Si vous voulez vraiment faire une application poussée avec beaucoup euh, de choses qu'on ne trouve pas finalement dans le no-code, ça devient très très vite compliqué. Donc très souvent, il vous faut de toute manière euh, apprendre ou recruter une personne qui sait faire de la programmation. Mais donc, ce qui m'amène à rebondir sur euh, une autre problématique, non mhm. pas problématique, mais ça serait aussi intéressant de savoir quand vous allez décider euh, de créer votre application, sur quel langage, quels sont les langages informatiques en tout cas les plus populaires. Mhm. Chez Google, chez Android plutôt, puis chez Apple, donc iOS. Donc, Super, dites-nous en plus. Alors, alors, quand vous êtes sur Android, l'application la plus populaire qui est utilisée, c'est vraiment Java. Donc Java, c'est un langage informatique qui existe depuis 25 ans, qui n'a plus beaucoup de choses à prouver, même si évidemment il a des, lacunes, mais il est beaucoup, beaucoup utilisé et jusqu'ici, il n'a pas tellement d'alternatives. Alors, bon, il, y a quelques alternatives que je vais citer tout de suite. Donc c'est un très vieux langage et donc l'intérêt d'être vieux, c'est que c'est très facile de trouver des solutions à des problématiques de programmation en Java. Mhm. Dès que vous butez sur quelque chose, il y a forcément quelqu'un dans le monde qui a fait face à ce même problème et qui l'a résolu. Mhm. Donc c'est très facile, vraiment, il y a des forums euh, sur Internet, des milliers peut-être de forums des milliers de solutions, voire même des millions hein, de, solutions concernant le langage Java, et donc qui va vous aider à avancer. Donc Java, beaucoup utilisé sur Android. Après, sur Android, vous avez aussi un autre langage, le second, qui s'appelle Kotlin. Donc Kotlin, lui, c'est euh, quelque part une version améliorée de Java. Donc il va venir corriger toutes les lacunes de Java euh, donc, tout ce qui est difficile, notamment au niveau de la syntaxe, la façon dont on écrit certaines lignes de code, donc Kotlin va venir les simplifier et rendre le code beaucoup plus accessible. Donc, mais euh, alors du côté, donc il y a vraiment deux mondes. Ce qu'il faut retenir en tête, c'est que quand vous décidez de faire de l'application mobile, donc essentiellement c'est des applications qui vont tourner sur des téléphones portables. Mhm. Après, vous pouvez aussi faire des applications qui peuvent tourner sur des montres connectées, etc. Mais quand on va rester sur les téléphones mobiles, vous aurez deux mondes. Il y a Android et il y a iOS, donc Apple. Donc chez Android, on a dit il y a Java et Kotlin. Et chez Apple, vous avez un langage qu'on appelle Swift. Donc le Swift, lui, il a été créé par Apple lui-même et donc il est reconnu aujourd'hui vraiment comme l'un des langages informatiques les plus euh, efficaces. Donc qui permet vraiment de développer et à la fois des langages, des, des applications, à la fois sur euh, iPhone, donc iOS et à la fois sur Android aussi. Donc il fait les deux, il est mhm. très bien. Donc il est très utilisé en tout cas chez les développeurs euh, qui sont plutôt du côté de chez Apple. Mais donc, et après ça, vous aurez aussi très souvent quand vous faites de la programmation, vous aurez, vous allez buter sur ce qu'on appelle euh, euh, des frameworks. Alors les frameworks, c'est quoi C'est simplement des petites briques logicielles qui vont vous aider à gagner du temps. Vraiment, dès que vous faites de la programmation, en tout cas pour votre application, vous serez obligé d'utiliser ça. Le framework, de façon très basique, c'est comme si moi j'étais un couturier et que j'invente euh, un modèle de chemise, par exemple. Hmm. Donc un modèle complexe de chemise. Et que quelqu'un veut faire ce même modèle de chemise, mais sauf que lui, il ne l'a pas inventé. Mhm. Donc, il y a des frameworks qui me permettent en fait d'accéder à ce modèle sans, avoir, sans l'avoir euh, comment dit, inventé. Voilà. Donc, ça me fait gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et vous avez tout plein de frameworks euh, comme Django, Ruby ou .NET qui sont utilisés en tout cas dans l'environnement de développement. Merci beaucoup Ousmane. Ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère qu'on aura une autre occasion de se retrouver dans cette émission avec un autre sujet sur la nouvelle technologie. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Sinon, parlons santé à présent de cette émission. Aujourd'hui, Dr Souley Kimba, cardiologue de l'hôpital national Lamour de duniami nous parle de l'hypertension artérielle. Oui, à cette euh, période de transition entre la saison froide et la saison chaude, le cardiologue recommande aux personnes qui vivent avec euh, une hypertension artérielle une consultation médicale régulière. Et aussi le respect d'une hygiène alimentaire saine. Écoutons ses explications. Euh, il est au micro de Habiba Ahmed. Docteur, qu'est-ce que l'hypertension artérielle C'est une augmentation de la pression artérielle au-delà de la normale. Normalement, la tension normale doit être inférieure à 140 sur 90 mm de mercure. Maintenant, quand la pression monte jusqu'au-delà de 140 sur 90 mm de mercure, on parle d'hypertension artérielle. Et cette hypertension artérielle a des grades. Il y a le grade 1, le grade 2, le grade 3. Le grade 3, c'est le grade le plus sévère. Et généralement, c'est quand la tension artérielle monte au-delà de 180 sur 110 euh, mm de mercure. Là, on parle d'hypertension artérielle grade 3. Quand est-ce qu'elle survient Donc, l'hypertension artérielle, généralement, ça survient aux alentours de l'âge de 40-45 ans pour ce qui est de l'hypertension artérielle essentielle, parce qu'il y a deux groupes d'hypertension artérielle. Il y a l'hypertension artérielle essentielle et l'hypertension artérielle secondaire. Pour l'hypertension artérielle secondaire, généralement, c'est des gens qui ont des malformations, que ce soit des malformations au niveau des artères rénales ou des malformations au niveau de l'aorte. Ces gens peuvent développer des hypertensions artérielles beaucoup plus précocement. Maintenant, l'hypertension artérielle essentielle, qui est essentiellement liée euh, à l'âge, généralement, c'est aux alentours de 40 ans. Et ça survient chez des gens qui ont des facteurs de risque, c'est-à-dire les gros consommateurs de sel, des gens qui ont des problèmes de diabète, des gens qui sont stressés. Donc tous ces gens-là vont finir par développer une hypertension artérielle. Comment se fait le traitement ou la prise en charge de cette maladie, docteur La prise en charge de l'hypertension artérielle, donc on a deux volets principaux pour la prise en charge de l'hypertension artérielle essentielle. On a ce qu'on appelle les règles hygiéno-diététiques et le traitement médicamenteux. Les règles hygiéno-diététiques, il faudrait que ça se résume à des mesures comportementales, c'est-à-dire il faut réduire la consommation de sel, il faut réduire la consommation du gras, il faut réduire la consommation du sucré. Il faut pratiquer l'activité physique, il faut consommer des fruits et légumes, il faut consommer du poisson et il faut éviter le tabac, éviter d'être stressé. Et à côté de ces mesures hygiéno-diététiques, il y a le traitement pharmacologique. Et en fonction du grade de l'hypertension artérielle, comme je l'ai dit, ça peut être une monothérapie ou une bithérapie, même si les dernières recommandations des sociétés savantes préconisent de faire une bithérapie d'emblée. Mais quand quelqu'un se retrouve avec une hypertension artérielle grade 1 sans facteur de risque grave associé, pas d'hypertension artérielle, pas de diabète, pas d'hypercholestérolémie, je vais me permettre de le traiter par une monothérapie accompagnée des règles hygiéno-diététiques. Maintenant, s'il s'agit d'une hypertension artérielle sévère, c'est-à-dire le grade 3, souvent avec atteinte d'organes, c'est-à-dire que la personne a déjà fait un accident vasculaire cérébral, ou que la personne avait fait déjà une insuffisance cardiaque ou euh, un infarctus du myocarde, Là, le traitement devient un traitement polyvalent. Donc, il faut gérer le problème de la pression artérielle, mais également à côté, il faut prendre en charge la pathologie engendrée par l'hypertension artérielle. Alors, comment vivre avec l'hypertension artérielle Pour mieux vivre avec l'hypertension artérielle, première des choses, il faut consulter son cardiologue régulièrement ou son médecin généraliste qui s'en charge du suivi. Deuxièmement, il faut respecter les règles hygiéno-diététiques, c'est-à-dire le fait de ne pas consommer du tabac, le fait de faire l'exercice physique, le fait de consommer des fruits et légumes. Ça, il faut le faire. Et il faut prendre régulièrement son traitement. Maintenant, respecter les rendez-vous fixés par le médecin. Quand on fait ça et qu'on ne se, stresse pas, on se met dans sa tête que en réalité on n'est pas malade, on a juste une valeur de l'attention qui n'est pas normal et que je vais tout faire pour normaliser. Parce que quand je le normalise, je suis comme tout le monde. Donc, j'ai pas de souci. Donc, pour vivre avec son hypertension artérielle, il faut appliquer les mesures que je viens de citer. On dit merci au docteur Souley Kimba, médecin cardiologue à l'hôpital national La Mort de Djeniamé. Il était au micro de Habiba Ahmed. Sinon, à présent, on passe à la rubrique rose jusqu'au bout des ongles avec l'équipe jaune du studio Kalangu. Exactement, Fanta. Ce matin, elle nous propose euh, un moyen d'entretenir et protéger les cheveux. Au côté cuisine, hein, côté cuisine, j'allais dire, comme euh, c'est le moment, vous aurez une recette euh, du jus naturel avec avec lesquels vous pouvez facilement préparer pour étancher votre soif à la rupture. tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture, du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traités et partagés par nos chroniqueuses. de l'espace santé et bien-être, nous parlerons du bienfait du bicarbonate des soude sur les mains et sur les pieds. Puis en beauté avec moi Fanta, nous découvrirons les gestes à éviter pour chouchouter nos cheveux. Et en cuisine, avec moi Bibi, on va se rafraîchir avec quelques astuces de jus naturel. Top, mhm. c'est parti. Le bicarbonate de soude ne va pas arrêter de nous surprendre avec ses multiples bienfaits. Notre blogueuse beauté Juma déjà vous voyez aujourd'hui avec une astuce magique pour les mains et pour les pieds. On l'écoute. Cette astuce que je vais partager avec vous, c'est pour aider toutes ces femmes qui ont des problèmes de taches au niveau des pieds ou des mains, ou dont les pieds et les mains sont plus sombres que le reste du corps. On rencontre ce phénomène surtout chez les personnes qui utilisent les produits éclaircissants. Donc, ce qu'il faut, c'est de mélanger une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à soupe de bicarbonate et une cuillère à soupe de Nescafé. Tu vas mélanger avec le jus d'un citron. Après avoir fait le mélange, tu vas remarquer que ça va commencer à mousser. C'est cette mixture que tu vas appliquer sur les pieds et les mains et tu vas frotter. C'est une astuce à faire régulièrement. Donc après la pédicure, tu passes la mixture, tu frottes. C'est une astuce qui va t'aider à réduire les tâches, ça va embellir les pieds et les mains et ça va les rendre éclatants. Ça nous échappe quoi, que le bicarbonate est aussi magique. Le bicarbonate et aussi les autres ingrédients. Tu vois, ah, moi j'essaie dès demain. <laughs> Ou dès ce soir, carrément. Ah, ça c'est vraiment la reine de la beauté <laughs> de la République. <laughs> Alors, et... Fanta, quoi pour nous Alors, avec moi aujourd'hui, Rabi, on va parler des cheveux, de comment les chouchouter et les protéger au quotidien. Pour ça, il est important de faire attention à certains gestes, comme ne pas protéger ses cheveux. Crépus ou défrisés, les cheveux ont besoin de protection et les coiffures protectrices peuvent aider. Elles permettent d'éviter les manipulations trop fréquentes des cheveux et maintiennent l'hydratation. Un chignon bien soigné ou encore des tresses faire Ensuite, ne pas s'occuper de ses cheveux et du cuir chevelu sous ses coiffures protectrices. Bien que faire des coiffures protectrices implique que nous manipulons moins nos cheveux, il est indispensable de prendre soin de nos cheveux et de notre cuir chevelu en lui apportant hydratation et nutrition. Dans la rubrique du dimanche, nous partageons avec vous quelques produits naturels que vous pouvez utiliser pour chouchouter vos cheveux. Il y a aussi le fait de faire des mauvaises coiffures. On met les coiffures protectrices nous avons aussi les destructrices qui fragilisent les cheveux crépus et les cassent. C'est le cas des coiffures trop serrées, des coiffures gardées trop longtemps ou encore les rajouts des mèches à répétition qui ont tendance à assécher les cheveux de fait de laver ses cheveux trop souvent. C'est curieux, je sais, mais il est conseillé d'espacer votre fréquence d'utilisation de shampoing à une à une fois tous les 10 jours pour ne pas les agresser avec certains produits chimiques contenus dans nos shampoings et le fait de négliger les soins. Les soins sont indispensables pour maintenir les cheveux forts et en bonne santé. Les bains d'huile et les masques profonds permettent d'hydrater, de nourrir et de fortifier nos cheveux. Merci Fanta, merci pour tes astuces. Mariam, toi je suppose que t'as pas besoin de tout ça. Hein. tes cheveux sont juste dans le dos. <laughs> non mais vraiment tu as trop de chance. Comme d'habitude dans la rubrique rose, dans celle-ci on va s'occuper un peu du rafraîchissement, donc des jus naturels. Première astuce pour un bon jus de bissap. Déjà, j'ai découvert avec une collègue passionnée de cuisine, merci Rafika, que les feuilles de bissap écrasées et infusées donnent un meilleur goût. Et cette infusion permet aussi de garder toutes les vertus nutritives des feuilles de bissap. Ensuite, faire bouillir des pots d'ananas avec quelques clous de girofle pour ajouter à ces feuilles de bissap écrasées, c'est top. Juste après avoir éteint le feu, vous pourrez euh, également mettre un bouquet de menthe, de citronnelle ou des feuilles de basilic que vous allez laisser infuser au moins 10 minutes pour un jus bien parfumé. Enfin, quand ça sera la saison de la goyave, n'hésitez pas à ajouter de la purée de goyave dans votre bissap. Faites-moi confiance, c'est magique. Et je t'assure, Rabi, si tu essaies l'astuce dans le bissap avec les cristaux de menthe, tu vas adorer. Mais ah attention à la dose, juste un tout petit peu, ça sera frais et top, je te jure. Ok. <laughs> Merci. En tout cas, celle de la goyave, c'est une spécialité sénégalaise et c'est incroyable comme c'est super bon la goyave dans le bissap. C'est tout pour aujourd'hui. Bon rafraîchissement. Eh oui, chers auditeurs, je vais devoir laisser Bibi et les filles pour retrouver Seno au studio. Seno, c'est quoi la suite À présent, Fata, direction Tilaveri, plus précisément à Ayuru, pour parler du centre de regroupement des élèves. En effet, c'est nous pour la continuité de l'éducation en situation d'urgence, les autorités nigériennes ont instauré cette façon de faire à cause de l'insécurité dans plusieurs zones, particulièrement dans la région de Tilaberi. Plus de détails avec Issa Halidou, directeur de l'école quartier. Il est au micro de Abdoulaye Amadou. irga bai ekol karcewa wo wadin ayeru ekol no maso ana ma barmai a beri gumo irga bani mir fahamandi matano ekol o gwanda so barmai yan o kan tegdet kan watin ekol no ekol fulon no hunkuna ina te centre centre mo dine centre irwana sohonke yan ora école yan no igmargan mhm. ira ayeru quartier centre de tashi n'o gara ekol traditionnelle hinza da Medersafo. École traditionnelle Egeita Ayoru quartier 1, Ayoru quartier 2, la bonne Trad. Franco-arabo, la bonne franco-arabe. donc école tachawo école hinkawo ke ayoru wana école yenno ka zani go ayoru hinka hendumo la bon kwari hinka kayen lakatuna ona ni tunandingai kwari raka ngai no ka gurara ngai non santro kreye donc école hin kawo déplacé koniyen no gara o bakan ir bumbo do hare ir kan ta yor école déplacé yango irse déplacé kan go waran se ayeru merare ni hun wala ko ar fo no département fo ni hun wala yere funu ayor merara yere funu nongor fo hare commune yanra de département bumbo donc yare bankilar département warano ihunu yare mu tera département warani hunu maintenant dire ayor bumbo département mo wana boryan kayan tumu bene da wanu wani inates borai gai mo ikwari yan zanki yan gonewa lokole we matano waran sokone dakana ini te centre wo laka tunawo gideno kan centre te lokole kayan tunu lakatuna seni da ni kika nemo il faut que im luise batam yan kayan ra'i goro santro woni waran diyo ga aganan ima hinkange kewai kul kanyan ihim kete din te wa wala jara deno igite gazen gara wala akul kubai wallahi santro hun kuna matkin sukunin da lokolize kan go lokol non gorfu agangin kiwote matkul kanu antuka agora gangi kiwote nan ka haihu kan gibi na bumbo ina klasiyan feri zan kai kayan goro lokaci kan ihunu lokol parce que non 'yan gono la kaltuna wata jirihin ka jirihin za donc boradin a patin da lokol ko yan gabadiya donc in klasiyan feri dizan kayan kayan man bai gufur lokol ikul saya hinkanta zan kai ikul saya hinkanta zan kai no e eh, haran class fo gono kan go balci na de ni gitara zamir ne ce wo sintina zan ka kina rani ga sintin irgo de place yan kan yan isma iro eh, eh, darmi kina donc balci ni ga donc bore ni kan di sen gai mun gai kan class o kara igo ga to maro ki kan de aga wasa ka jiro wi wala alwati ka alwati no igi kan de walwaran wanno ga ha ido imutantan maro di kan da c'est vrai effectif woni gida sabu kanda jankai kanda kan jankai jama'a kan gono eh wat kul bor yango kano de bora kamo de zanka kamo iris ne cim sai asi programme ginara sai kele go mo asi mo donc irgi hinde wat kan stoko ban irin labaran di sai kan stoko ban digi kan de wat ni dig kan de zan kulu hamgar zarora ko muado eh, hare gram zong hinka idunguro do haregu mo gondon gonne si jowa kotogram mo egu di jiwo mo matakan igane sinda donc eh, partenaire ay no hare irgo gibatu eh, imkandirse gagi sinay imkandirse mo eh, gagi sinay bon fera do hare parce que zankai kan du mai irgo gudu zankai no kai yan mat jare mat zank ordinaire zank kala kala tunu halala kala kuigka donc kadet borgo ana ga yamo irgi kan classe sigosa donc gwamnati mun wana gabu dank za se chini yango do hare da metre metre mu muka parce que hun kun laka tuna wote na matkan nan da bora go tilberi dina muka a yoru kula nan gidan gaska eh, donc gwamnati mun wana gabo dan vala gabo dan mungu wana hino dan kan nemo a yormu nigeri zenno gono boryan go ba hunara Eh, igogo kiwondara yadinga ifose nigbora ke hayu alo amka amnenga hayu nongoriyan klase ra metre go hinki hinza klas folo newo irmo go zankuzongu go no kayan sindimetre Voilà, très informatif euh, ce reportage de Abdoulaye Amadou, hein, qui est d'ailleurs en ligne avec nous. Abdoulaye, bonjour. Bonjour. Comment ça va Ça va. Vous allez bien Hein, on ne se plaint pas beaucoup. Hein, et le, carême, ça se passe bien, j'espère Bien, bien, bien. On a commencé jusqu'à là, alhamdulillah. Super, super. Alors, dites-nous, comment vivent euh, les populations vu la situation sécuritaire qui prévaut dans cette journée Est-ce que euh, les enfants vont à l'école à nos jours, les enfants vont à l'école, mais il y a d'autres qui ne vont pas à l'école parce que leur village euh, a été abandonné par les communautés. Mhm. Euh, même si les populations sont là, euh, il y a eu des menaces qui a fermé les écoles. Les enseignants sont partis, donc les écoles sont fermées. Et les parents, en réalité, n'ont pas pris le temps, en tout cas, d'amener leurs enfants dans les, écoles qui sont euh, loin du chez hmm. Alors, euh, dites-nous, il, vous a été facile de réaliser euh, cette interview Non, ça n'a pas été facile mais avec l'appui du directeur, qui est d'ailleurs quelqu'un qui participe au fur et à mesure dans nos émissions, il a vraiment facilité la tâche pour quand nous fassions cette, interview avec lui. Mm. de moi, ce que je veux savoir, est-ce que vous avez pu échanger avec les enfants de ces centres euh, Là, je me suis euh, méfié parce que euh, au moment où nous sommes arrivés d'ailleurs, euh, j'étais très surpris de voir la réaction de certains élèves dès qu'ils ont vu euh, mes appareils dans ma main, ils se sont effrayés. Il a fallu qu'on les attrape. Quand j'ai posé la question, qu'est-ce qui se passe et euh, Il me dit, c'est les traumatismes. Donc, ils ont vécu, euh, ils ont vu comment leur village a été attaqué, certains mhm. parents ont été tués. Donc, ils ont cette psychose. C'était vraiment effrayant. Merci beaucoup, Abdoulaye. On vous espère à très bientôt dans cette émission. Merci, merci infiniment. Passez une excellente euh, journée, euh, Abdoulaye. Sinon, on fait une pause et on se retrouve juste après. Exactement, Fanta. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Fanta, je sais que tu as soif, mais je vais quand même devoir te dire ma phrase préférée. Un esprit sain dans un corps sain, à ton coutume de dire, n'est-ce pas On est à la page sport, c'est ça <laughs> Effectivement, Fanta. Et justement, il y a Sariou Adam qui est avec nous dans ce studio. Adam, bonjour. Bonjour, Fanta. Alors, nous ouvrons cette page sportive avec les éliminatoires de la Cannes 2023. Oui, hier, l'équipe nationale du Niger a perdu son quatrième match sur le score de 1 but à 0 face à l'Algérie. Malgré un match sérieux de la part des joueurs nigériens qui méritaient au moins un point dans cette double confrontation avec les Fennecs. Après ces deux échecs du MENA, beaucoup de supporters pointent du doigt l'entraîneur Jean-Michel Cavalli, qui compte désormais 12 défaites depuis qu'il est arrivé à la tête de cette équipe en octobre 2020. Alors, Adam, quel est hein, le classement du groupe du Niger à présent sans surprise, l'Algérie est en tête avec 12 points sur 12, la Tanzanie est deuxième avec 4 points, le Niger est troisième avec 2 points et l'Ouganda est quatrième avec 1 point. Ce soir, la Tanzanie pourrait réaliser une bonne opération contre l'Ouganda en cas de victoire. Mais alors, Adam, quels sont les autres résultats de ces éliminatoires la République centrafricaine a battu le Madagascar hier 2 buts à 0. Euh, le Soudan du Sud a, battu a perdu un but à zéro face au Congo-Brazzaville, même score entre la Guinée-Bissau et le Nigeria en faveur des Super Eagles du Nigeria, Mike nul entre Angola et le Ghana. L'Éthiopie a perdu sur le score de 2 buts à 3 face à la Guinée-Conakry. Et enfin, le Soudan a battu le Gabon sur le score de 1 but à 0. Ok Adam, le MENA U23 joue ce soir son match retour contre le Soudan euh, de la même catégorie. Oui, après son match nul à Niamey, les poulains de Zakaria ou Ibrahim tenteront de faire le travail ce soir à Khartoum. Les U23 nigériens sont très confiants pour une qualification historique avec le renfort du milieu de terrain Moumouni Darankoum qui était au départ appelé chez les grands. Et c'est la fin de cette chronique sportive. Au plaisir de vous retrouver pour un autre numéro. Merci, beaucoup, Adam. Aujourd'hui, nous allons, euh, pour le portrait du jour, n'est-ce pas, c'est nous vous présenter une jeune électricienne qui exerce dans la ville d'Agadez. Et oui, Fanta, de nos jours, euh, de plus en plus de femmes s'intéressent à ce métier Genre, tu veux dire que les barrières sont, en train de tomber. Exactement. Donc, Anissé Karim pour le portrait de Fatima Abbas. Mai kimanin shekaru ashirin Fatima Abbas ta mallaki diplomar barebe a aikin saka lantarki ga gidaje, fannin da ta zaba ta lokacin shigarta a cibiyar koyon sana'a da fasaha. Ta yi mana ƙarin bayani a kai. Abin da ya bani shawa na zaɓa aikin gyaran wuta, ta ina aji na shidda da an ka kai ni waccan makaranta ta koyan aikin hannu da farin dai na so in kiya. to da an ka bani magana mahimmancin ita wagga makaranta sai na amince da ci gaba da karatu a can na gani kasashe da dama irin waɗanga aika akwai su mata da dama sun hima wasu maza nan ga kuma na gani matan ba su da yawa da ke kake samun mace guda zuwa biyu duka maza ne shine ban karfin gwiwa na koyi ga aikin na gyaran wuta sai dai hakan ya aifar wa fatima da wahalhalu wadda a yau take rayuwa tare da matsaloli cikin al'umma amma kuma ana buƙatar aikinta sosai cikin gari fiye da matasa maza matsalolin da na fuskanta suna da yawa tunda yanzu ga aiki ne za a ba kunkuna ta arkai da namiji sai dai a ba namijin a ce kai a kwamfayan shi ba dai kai a baka ba na personal ka je ka yi koko a ce ku je dukan ku tare ku sai dai shi a ba namijin gani ake aikin da za a yi mace ba ta iya yin shi ba daɗi a ce kuna aiki tare komi kun san shi tare kuna iya yin shi tare wani abun kana ma iya yin shi wanda namijin bai yi shi ba sai a ce namijin za a ba ya je ya yi matsala ta biyu kuma kamar aiki ne wanda mutane suke gani mace ba za ta iya yin shi ba a ganin gaishu ibrahim uwa ga fatima aikin fatima na da babban muhimmanci ga iyali a tana mana amfani sosai gyare gyara yanzu ba sai mun nemo masu gyara ba installation kinga da komi tana mana gyara mu muna cin amfani kuma har wani ma ya ci amfani a gaba kuma muna fata ta yi gaba bisa wannan aikin samu karin matsayi ma har fiye da wanga na yanzu wanda take yanzu haka fatima na aikin neman kwarewa a cikin wani kamfani da ke cirozerin tare kuma da aniyata ta ci gaba da karatu har ta kai ga mallakar babbar diploma C'était le portrait de Fatima Abbas rendu au studio par Asumana Shina. en cuisine, aujourd'hui, nous allons découvrir le fankasu, une sorte de beignet, une spécialité de la région d'Agadez qui est faite à base de farine de bleu dur. Bleu dur, tu dis, c'est non parce que nous, ici, à Niamey, nous achetons directement la farine de bleu chez le boutiquier. Madame Safia Bala Oumarou, native d'Agadez, nous donne la recette des propos recueillis par Hawa Ousmane. aikin su in ka sai alkamaka sai ka sa ta ga turmi ka sirhenta na hannu in aka sirhe ta aka hece ta aka yadda dusan nan sannan sai ka sa cikin ruwa ka wanke ta ka shanya ka hidda duwatsu in ka hidda duwatsun nan ta ka shanya ta bushe sai ka kai mashin a niƙa a mata gari garin na shine za a tankarewa sai a zo a dama shi akwai yis ana sa akwai sikir ana sa akwai gishiri ana sa su ne ingredient in ta na damu in aka dama sai an dama ta kamar da ake matuwa da muciya a tuka ta sai ta yi kwansantire kware-kware yanzu ta damu ta damu ta bugu da kyawu sai a kai ta ga rana ta ɗauki lokaci daga ta tashi kana ganewa yanzu ka ɗora manka ya yi zahi akwai ƙwarya ko murhin tukunya yanzu sai ka nemo kan wakan ga ta tiki da ko kuma filma sai ka shiga ita ce za ka shafa bayan ƙwarya nan ko bayan murhin kwano da mai kana shafa kana gyara yanzu sai ka ɗora sannu sannu ga gamai in ya yi tura minit kuma sai a sake juya kuma ya ɗauki wata turuwa minit sai a hidda mai amma ba a ba shi tuwo ya yi kabri ya yi yauni to in ta gyaru fata yi burodi da mu aga da mu mu damu da burodi ba ita ce ga arme ga suna duka ita ce wallahi in an kawo buhun burodi ana cinye kan kasuwa a bar burodin nan mu higa gane mu shi To shi gafan fankas kaman lokacin sabgogi ne ake yin shi koko. Eh ana shi lokacin arme, lokacin suna kuma ga sallah. Kai in kana bukata abin kama gidanka sai kai dan daidai da kai da iyalanka. Wuce abun ku eh. Eh in kai marmarin shi sai kai abun ka da kai da yara. Kuma da wace irin miya ake hada shi? Da miya, miya shan miya ake. Ke a sa mata naman ta isasshe da komai da komai. Mun kare in kana so kai a sozonanta da legim da komi sai ka samu ta shan miya ce ake. Fanta, je vois que tu es en train de saliver. Hein. Je te jure. <laughs> Chers auditeurs, c'est l'heure du loti du jour. Et aujourd'hui, euh, la rubrique loti des femmes du studio Kalangu aborde la question de maltraitance des enfants. Mais qu'est-ce qui pourrait bien pousser un parent à maltraiter son enfant Découvrons-le ensemble dans ce loti que nous présente Samira Rouafi, Rouketou Abdraman et Rekia Arimi. matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji mamma menene na kara aiki ina iya inje je kin kare wankin eh na yi shi wanke kwanonin hwa na yi duka mamma to kin yi shin huda na yi naku mamma sha biyu na dare Me kike jira ki je ki yi hudar yayun naki? Mamman yiwa nike ji, na yi su daga baya. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ke ji mini wannan yarinyar a shekara goma sha biyu tuni ina magana kina magana wuce min daga nan kuma Allah ya sa kar kishin waɗannan na 'yan uwanki. Tom. Mm. Ke Balkisa. Mm? Ya kina. Ni nike miki magana kuma kina mini kina zumbuɗo mini baki A'a ba haka ba ne ba ma. Sai kin yi shin nan kuma zan gani wa zai baki abinci yau da dare ne sai dai ki mutu da yunwa. Ku yi hankuri mamma. Mamma menene ana ta cuwa-cuwa haka? Eh yar leleta mun tada ku ko? To ku ku huta ku yanzu an yi muku shin huɗa ku ku kwanta. Kin gani ko? Kin tada mini yaran ga. dalilin ki ba su hutawa su ji daɗi a cikin gidan nan. mamma da Allah ka ku buge ni ku yi hakuri. wane ne ke kira na yanzu haka ah salamu alaikum ya ne kawa kin iso Ah, to yi kyau ina jiran ku ke balkisa Na mama zo ki yi maza maza ki gyara ɗakin nan ki gyara shan huɗa kuma hallau ga kawata nan tahe to mama salamu alaikum wa alaikum assalam zainab kun iso mm, gani nan dai kin gani barka da isowa barka ka dai barka kai kai masha Allah zo zo zauna balkisa na'am mama zo ki kawo mama maki ruwa to mama Wace ce wannan kuma? Ina matar Mustapha nan da ta rasu? To iyarta ce. Ah, ah to barkisa kira mini rakiya da Farida an gansu ko? Hmm, yaran nan suna nan ga barci. Ah, suna barci. To ita me take yi har yanzu? Dare ya tsala hakan ga bata kwana ba. Haba Habiba, barbarin yaran ki gaban TV har wani rabin dare hakan ga. A ake. yarana to ne suna barci tun karfe goma na dare kuma kullum hakanan ne amma ita ko sai ta gama duk ayyukan cikin gidan nan kahin ta ci abinci sannan ta ta kwanta habiba mi nake ji hakan ga ina gane kenan baki kula da yarinya na da kike kula da yaranki wace ce ita to Yomi kike tsammani, kin aza ina ganin ta tana nan zan ba iyan da na haifa aiki. Hmm. Allah ya raba gawa da dariya. kin je ki wai Allah ya raba gawa da dariya haba ita ma fa ki ce ke ke ke ke tsaya gyara zancen ki iyar kishiyata wai dan mata rasuha to naji amma wannan bai baki in can ki kuntata mata hakan ga wallahi ki ji tsoron Allah da ya halicce ki kina da yarinya yar shekara goma sha biyar da yar shekara goma sha bakwai ha ba ki ba su aikin yi su da amanya sai dai balki sannan ai karama ga ta shekara goma sha biyu kisan san da ita kadai ba ta yin wanga aiki duka. Ke ta saba. Haba Habiba yarinyar nan fa kake manta marainiya ce. Zainab tsayan tambaye ki wai saboda wannan kika zo? A'a a'a a'a amma diba dan Allah lokacin da ake nan gai dare fa yayi nisa ha kake mance fa mu musulmi ne in ka kula da wanda baka ma sani ba ga irin daɗin da kake ji da irin ladar da zaka samu musamman ma an ce dan mijinki ha kuma magainiya da in ki kula da ita Allah ɗaya san dubun ladan da zaki samu kuma in kina son mai gidanki ya kamata a ce duk abin da ya fito daga gare shi ke ma ki so abin ina son mai gida na fa amma ke kike yin kaman biki san ba abin da mahaifiyarta ta yi mini lokacin tana raye daga na ga yarinyar nan ke nake tuna dukkan abubuwan da ta yi min haba habiba ke ko ai ba laihin yarinyar ne. kuma ki saurare ni in ofishi mai kula da kariyar yara suka ji irin wannan abun da ake yi Allah ɗaya san irin matsalolin da zaki samu da hukuma kuma in aka zo aka yi la'akari yarinyar nan ta ji mu ko ko wani abu ya same ta akwai ayar doka mai lamba 222 da ke hana a kuntata ma yaro in ma babba ne bugu da gangan ko jima mutum da gangan kuma duk wanda aka kama da wannan laifin ana iya sa shi kurkuku daga wata uku har zuwa shekara biyu kuma zai biya tara ta jika goma zuwa jika ɗari na sifa subhanallahi me nake shirin ji To, wani hali yarana za su shiga in aka jefa ni kurkuku? A'a, ha ake kai ga wannan. Ya kamata ki sake hali game da yadda kike yi ma wannan yarinya kina kuntata mata kina bata wahala. Ya kamata ki sake hali tun lokaci bai kore miki ba. Baki bata kula, baki gwada mata soyayya. Allah ɗaya san ta kai budurwa irin mugayen abubuwan da za ta sawa cikin kanta. Kuma ki san da cewa irin wannan abu da kike mata yana iya sa ko ta ga za ki mutu kina cikin wahala, wallahi ba ta taimaka miki. Ko ko ta cuta ma kanta da kanta. kuma ke gan duk wannan laihinki ne. Na ji kuma ya ƙare. Balkisa. Na mama. Zo iyata, ta ki ci abinci kin ji ko kuma ki je ki kwanta. Ki yahe mini kin ji iyata? Na yahe muku, na gode mama. Ai ba ki ga komi ba, ina jiran babanta ya taho. ni da kaina zan mishi magana don ya samu ya bude miki kan nan naki da eh Zainab baban ta bai san ba me faruwa cikin gidan gafa dan Allah ruha mini asiri kar ki bata mun gida kisan ban hangi ba matsalolin da ke tattare da wannan abun kishi na akan wannan marigayiyar ya sa ban ganin komi to Allah da ya kara haskaka mana komai amin to ni zan je in dan huta na gaji hanyar nan ta yi tsawo je ki huta ni ma zan je in kwanta Chers auditeurs, c'était là le loti offert par le desk femme du studio Kalangu. Oui, c'est nous. Et dans ce studio, nous sommes aussi en compagnie de notre collègue Maman Ada. Bonjour Ada. Bonjour Fanta. Bonjour nous. Ada, vous êtes euh, présentateur, traducteur et animateur du forum Alang Hausa. Aujourd'hui, avec vous, nous allons découvrir le mot droiture. Effectivement, le mot droiture est tel que défini par le petit Larousse et comme la qualité d'une personne droite de sa conduite honnête. C'est-à-dire il désigne l'état d'un esprit droit, honnête, qui se comporte toujours en respectant les règles du devoir. Le synonyme de la droiture est équité, honnêteté, justesse, impartialité, sincérité, j'en passe. le contraire de la droiture est déloyauté, malhonnêteté et hypocrisie. Ada, vous avez aussi prévu de donner l'explication de ce mot a langue Hausa. Oui, an Hausa ko in ce droiture an Hausa wato ana nufin kamar mutum wanda zai kasance mai gaskiya wanda adali wanda baya bukatar ya cuta baya bukatar ya raunana shine za a cewa wato mai gaskiya mai adalci. Mun gode sosai Ada. Merci infiniment, Ada. Chers euh, auditeurs, dans ce studio, nous sommes... Euh, chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication en anglais, en hausa, en zarma, en tamashek ou en fulfulde, n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. Je dis bien 82 89 89 64. Et bien sûr, c'est c'est le moment pour nous d'écouter nos auditeurs qui nous ont envoyé des messages vocaux. Oui, euh, Fanta, car euh, dans cette émission, nous leur donnons bien évidemment la possibilité de nous faire leur point de vue sur euh, nos productions, mais aussi et surtout de passer leur salam à l'endroit de leurs frères, sœurs et amis qui nous écoutent. Zabiru Alhaji Murtala garin Ciro Zere. Ahmed yau na ji daɗi kama ne magana wannan bisan Estudio Kalangu. Estudio Kalangu bata bambanta da mai kuɗi da talaka ba kowane doka ɗaya ta mashi zata baka kura ka faɗi ra'ayinka na ɗan ƙasa yadda doka ta ce. Eh, Estudio Kalangu duk shirye-shiryen su yana burge ni amma wanda ya burge ni babu kamar tusu alafada. Banan ne ka ji ra'ayin matasa. Akwai matashin da yake da yana so ya yi waɗan aiki to rashin ƙarfi amma cikin tusu alafada na muna jin ra'ayinsu ana waye ma mutane kai bisan wannan abubuwa ina gaida enseignante à Tirozérine. Bien sûr, j'ai l'habitude d'écouter les programmes du studio Kalangu. Ce sont des informations très intéressantes, surtout les programmes des femmes. C'est un programme qui parle de nous les femmes, à travers nos foyers, nos activités. Vraiment, je lance un appel à l'endroit des femmes d'écouter les programmes du studio Kalangu. C'est un programme qui va nous apporter beaucoup de développement dans notre société. J'ai aimé aussi l'émission Le Niger sur Kalangu pendant mes mai kwanje sai un programme très riche en culture. Je salue ma famille. Sunana Ali Abdu dan waina nan birnin Kwanye. Studio Kalangu duk yaran da ka na Niger suna bada labari. Daji kake, gona kake, gari kake, kai ko saman dutse kake. Idan dai kana da FM za ka yi amfani da studio kalangu saboda kuma ta yi reshe-reshe da sauran gidan reduka sassa Nijar inda za ka ji kana zamana kamar yamai to shi ɗaya na daɗiyar da studio kalangu saboda labaran da suke kamuna kala-kala na nishaɗantarwa da abubuwan da duka sassa-sassa aka cikin Nijar sai su zaƙulo shi kai abin da ya kamar dai mamaki ke wallai. si an muharin ban da wani rediyo wanda ya kai studio kalangu ai makati musa mahmudu muhammad ai wa metar no si kalbuza kwara ai studio kalangu wana emission ai hangan kono irga studio kalangu hangan mo eh, radio takarkar buza fondara donc euh, radio takarkar buza ngai no irga du studio kalongu wana Vrama eh, vraiment studio kalongu Sigire igo kanir se hala hal mant moso sigiri anno kam vraiment igo bor chondi bor gudu fahamma surtout indunyu goramo hari bobu kam bor sibay honkuna studio kalongu ka vraiment Bay. bai o irga emission hangan surtout emission ngai kigini chronique judiciaire dini de emission ngai Le volets reportage kigite kawe kawera wala irgo kuma kani hal irgo ma ay kani vraiment ir kalangu wana emission ay kani ir sine re kal so irgo sabu irgo ga mo aran encourager kangana aran ma émission am ko digini wallahi mo bore kango ni jarla bo gundu kunara hal hal nan karan simila irgo irgo dibo bore kango ga studio kalangu wana emission ga hangan o oh, masha Allah Chers auditeurs, on retrouve une fois de plus encore Nafisa Adamou Sirfo et cette fois-ci avec les grands titres du journal du soir. Eh bien, Fanta, le journal de 17h, nous traiterons d'abord de la formation dispensée au relais communautaire de Maradi par une ONG sur la maladie du Noma. Ensuite, nous irons à Yelou, département de Gaïa, pour parler des séances de sensibilisation organisées hier par le projet Saronia 2 sur l'importance de la scolarisation des jeunes filles. En Enfin, de le magazine, une veuve de la région de Difa nous est explique comment elle produit et revend du Sumbala pour survivre après le décès de son mari. Rendez-vous à 17h. Inch'Allah. Nous sommes à la fin de cette édition de votre émission Le Niger sur Kalangou. Vous étiez en compagnie de Fanta Chamsou et moi-même Ali Moukela Ousseni, alias Seno. Le plaisir était grand de partager ces moments avec vous, chers auditeurs. Le rendez-vous est pris pour demain avec un nouveau numéro. À la technique, c'était Abdul Kader Tombiano et Adam qui, À l'édition, Seno, on se dit Chao, chao.